ak Abdoulaye Wade dinañ waxtaan ci mbirum Karim Wade euh, naka noonu euh, Sonko mi nga xam ne moo jiite Pastef euh, moom it mbiram dina bokk ci waxtaan wi ak ku ci mel ni Aminata Touré ak li ñuy wax ci moom boobook léegi dinañ wax tamit ci situation wu COJER bi nga xam ne seen coordonnateur la ñuy dalal waale wàllu tamit li nga xam ne gis nañ ko dee bërki démb wala démb ci ay xibaar muy taax boo xam ne dafa daanu ca Médina loolu dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti ak ki nga à que ak euh, ki nga euh, Pape Madiakhaté et puis juste après on se retrouve pour la suite. Toute l'actu sur King FM. Rebonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à nos programmes. Les brèves affaires des 94 milliards de plaintes vont être déposées ce mardi sur ce dossier. Les avocats de l'ex-directeur des domaines Mamour Diallo vont déposer la leur contre Ousmane Sonko euh, pour diffusion de fausses nouvelles alors que le mouvement Frappe France dégage va saisir le procureur d'une plainte contre X sur l'affaire des 94 milliards euh, portant titre foncier pour laquelle Mamour Diallo a été euh, blanchi par la commission d'enquête parlementaire. Un bâtiment s'est effondré hier après-midi à la Médina. Bilan du drame, un mort, une dame âgée euh, de plus d'une cinquantaine d'années qui prenait l'air avec des enfants lorsque euh, le balcon de l'immeuble s'est affaissé sur eux. Quatre autres personnes ont été blessées. Euh, carte d'égalité des chances, le président de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées, Yatma Fall, invite à l'accélération du rythme de production. Euh, beaucoup de personnes vivant avec un handicap n'en disposent toujours pas à ce jour. Euh, Beach Soccer, l'équipe nationale du Sénégal, a été éliminée hier des Jeux mondiaux de la plage malgré sa victoire face à l'Ukraine 7 buts à 5. L'Iran s'est adjugé la première et seule place du groupe qualificatif pour les demi-finales. Après trois succès en autant de rencontres, le Sénégal qui a eu euh, deux victoires avait perdu face à l'Iran avant-hier. Et pour, pour la musique du jour, nous vous proposons le nouveau single de Ndiogu Afia intitulé Bamba Bridole. Il s'agit d'un hommage au fondateur du mouridisme.